Donc, euh, effectivement, il y a vraiment une pénurie en sang. La demande est supérieure à l'offre, aussi, je peux me permettre du terme. Parce qu'en fait, les gens ne donnent pas assez. Et si vous remarquez, toutes les structures sanitaires, Niamey alentour, c'est ici au CRTS de Niamey qu'ils viennent proposer. Donc, c'est ce qui fait que si vous prenez les maternités, les hôpitaux, tout ce qu'il y a comme besoin de sang, c'est ici. Et les gens ne donnent pas assez. Les gens attendent que le besoin se présente pour venir donner le sang. Donc pour ce manque-là, comme je disais tantôt, on fait une sensibilisation. La sensibilisation, c'est tout le monde, hein. quelles que soient les structures. Il y a aussi les scolaires, les porteurs de tenue, les clubs, les fadas, les mosquées, les églises, tout le monde est concerné. Donc euh, on sensibilise, on va vers eux et on dresse même des listes la personne, on fait la structure, ça à elle de dire tel jour m'arrange et nous, on s'adapte. Tous les médias vraiment participent de temps en temps à nous aider pour vraiment sensibiliser les gens. En fait, d'abord, quand on prélève un sang, quelle que soit la personne qui donne le sang, il y a des tests qu'on est tenu de faire, notamment le groupe sanguin, le test pour la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH-Sida. Ça, c'est quelle que soit la personne qui donne, on est tenu à faire ce test. Si parmi ces tests-là, il y a un marqueur qui est positif, cette poche, on ne l'utilise pas. Hein. Donc on la détruit. Donc euh, on ne peut pas l'utiliser pour un malade. Normalement, un drépanostère ne donne pas du sang. Je dis bien normalement. Cependant, compte tenu de notre pénurie, donc on ne fait même pas les tests de la drépanocytose d'abord avant de prélever. Donc ce qui fait que souvent on se retrouve avec certains. Mais avant de faire le prélèvement, on fait ce qu'on appelle une sélection médicale. Donc, en fonction des réponses, le médecin qui fait la sélection peut même dire à la personne Ah, c'est pas bon pour vous de donner le sang. Parce que le don de sang, c'est la sécurité du donneur d'abord, après celle du receveur. Le message, c'est que le sang, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir besoin du sang de quelqu'un. Seulement, on ne sait pas quel jour ça arrive et dans quelles circonstances. Ce qui fait que tout le monde doit venir donner du sang. Parce que, comme je l'ai dit, ça peut arriver à n'importe qui. Et le sang, il faut que quelqu'un donne pour que quelqu'un ait. Donc, vraiment, si, selon les normes de l'OMS, si 1 à 2 de la population nigérienne donne, il n'y aura pas le manque de sang.